le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles à nos programmes, notamment le forum d'Istudio Kalangu qui a lieu, pour rappel, chaque soir du lundi au vendredi à partir de 18h15 Vous arrivez à nous suivre grâce à notre site web, notre page Facebook ainsi que le compte Twitter, mais surtout grâce aux 20 radios partenaires disséminés à travers le Niger et qui relaient les programmes d'Istudio Kalangu. La thématique de ce soir est l'indice de développement humain IDH, quelle interprétation de la place du Niger. Dans un premier temps, nous allons essayer d'apporter des précisions sur le concept même d'indice de développement humain, comment se fait le calcul et quels sont les atouts et limites de cet indice. En second lieu, nous allons analyser ensemble les raisons qui peuvent justifier la place qu'occupe régulièrement le Niger dans ce classement de l'IDH. Et enfin, nous allons voir les mesures à envisager pour permettre au Niger de sortir des sentiers battus. Autour de la table pour en discuter, nous avons Kabir Boubacar Issa Ababa, qui est administrateur au niveau de la division des études sur la pauvreté et du développement durable de l'Institut national de la statistique du Niger, INS. Bonsoir euh, Kabir Boubacar. Bonsoir. Et merci d'être venu. Nous avons également Abdulaziz Wankoy, qui est coordinateur de l'ONG Cellule de moralisation de la vie publique, CMVP Labizé. Bonsoir Abdelaziz. Bonsoir également. Également avec nous, Samaïla Mamadou du Roissan, le regroupement des organisations et associations du secteur de la santé au Niger. Il est également le point focal de l'Alliance internationale pour les objectifs du développement durable AIODD. Bonsoir, euh, Bonsoir. Bonsoir. Chers auditeurs, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du forum qui est consacrée, je le disais, à l'indice de développement humain. Il y a une semaine de cela que le programme des Nations Unies, PNUD, a publié, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a publié son classement mondial de l'indice de développement humain. Cette édition prend en compte le nouveau classement pour l'année 2016 avec des données compilées en 2015 Contrairement aux années précédentes, cette année, le Niger gagne un point et se classe 187e sur 188 pays classés. Il vient juste après le Burkina Faso, le Tchad et il dévance la République centrafricaine qui est dernière. Pour planter le décor, je propose qu'on commence par définir euh, l'IDH. Et je commence avec vous, Monsieur Kabir Issa mm. Baba, administrateur au niveau de la division des études sur la pauvreté et du développement durable à l'INS, mm. l'Institut national de la statistique. Euh, bon, je m'en veux vous demander d'abord peut-être une petite présentation de votre service, euh, sa mission, la division des, études sur la pauvreté et du développement durable. Mm, ok. Et merci pour cette invitation et merci de nous avoir donné, si vous voulez, l'opportunité si vous voulez, de porter à un grand public, si vous voulez, et le contour même, la connaissance, la connaissance, le contour, si vous voulez, la profondeur même du, de l'indice du développement humain, dont notamment, si vous voulez, et la place qu'occupe le Niger, qui n'honore pas beaucoup de nos compatriotes. Alors, la division des études sur la pauvreté et le développement durable de l'Institut national de la statistique une division, si vous voulez, chargée, si vous voulez, et qui a comme cahier de charge de travailler sur tout ce qui est relatif, si vous voulez, aux indicateurs du développement. Du développement. Bon, le développement, on a le développement humain, on a le développement durable. Nous avons aussi, si vous voulez, un accent sur les ODD à, atteindre en 2035. Les objectifs de développement durable. Voilà. Donc, euh, c'est dans ce sens que la division dans laquelle je travaille est chargée, si vous voulez, de rédiger, d'élaborer chaque année, si vous voulez, un rapport national du développement humain. Le PNUD publie régulièrement le rapport mondial du développement humain. Nous aussi, à l'INS, à travers ma division, nous élaborons couramment, si vous voulez, un rapport national du développement humain. Trimestriel, semestriel ou annuel C'est annuel. C'est annuel. D'accord. Alors nous allons euh, donc euh, rentrer dans le vif du sujet. Mhm. Quelle définition vous vous donnez à, l'IDH, à l'indice de développement humain L'indice de développement humain, si vous voulez, est un indice composite, si vous voulez, dont sa valeur est comprise entre 0 et 1, qui mesure, si vous voulez, la qualité de vie d'une population dans une zone géographique bien déterminée. Alors, cet indice tient compte, tient compte de trois dimensions. Nous avons, si vous voulez, la santé qui est mesurée à travers l'espérance de vie à la naissance. Nous avons euh, l'éducation qui est mesurée à travers la durée moyenne de scolarisation et la durée attendue de la scolarisation. Et enfin, nous avons le niveau de vie mesuré, si vous voulez, par euh, le revenu national brut par habitant. Donc, en somme, nous avons globalement, si on peut dire, deux dimensions. Une dimension sociale qui contient le volet santé et le volet éducation, et une dimension économique qui tient compte, si vous voulez, du niveau de vie. Alors, statistiquement, comment se calcule cet IDH, cet indice Alors, l'indice du développement humain, si vous voulez, est un indice calculé, si vous voulez, bon, qui a connu plusieurs mutations, puisqu'à partir de 2010, nous avons une nouvelle méthode de calcul, donc, dans laquelle on utilise, si vous voulez, la moine géométrique. C'est-à-dire, on calcule l'espérance de vie à la naissance. Alors, c'est quoi l'espérance de vie à la naissance C'est, si vous voulez, le nombre d'années que peut espérer vivre un, nouveau-né si les conditions de mortalité y en prévalent au moment de sa naissance restent inchangées. Donc, au Niger, selon la projection de l'IDH, en 2014, nous avons 64,1 ans. Donc, cette année, le PNUD vient de publier une espérance de vie de 61,9. Vous voyez, déjà en 2014, nous sommes à 64, selon les données de l'INS. Donc, nous avons l'espérance de vie qu'on calcule, nous avons la durée, de la durée moyenne de scolarisation. Alors, c'est quoi la durée moyenne de scolarisation C'est le nombre d'années de faite par un individu de 25 ans et plus. Et nous avons aussi la durée attendue, qui est l'espérance de vie scolaire, si on peut dire. Ça veut dire quoi exactement Donc ça, c'est nombre d'années dans le niveau scolaire qu'un nouveau inscrit en classe de CI peut espérer faire dans le système scolaire. Donc actuellement, le PNUD vient de publier qu'au Niger, un enfant inscrit à l'école et peut espérer faire 5,4 euh, ans. Donc, nous avons aussi la dimension économique qui est utilisée à travers le revenu brut par habitant en partie du pouvoir d'achat. Donc le revenu brut par habitant, c'est le revenu total généré par une économie, ainsi que ses facteurs de production, soustraction faite des facteurs de production utilisés du reste du monde, divisé par la population alors, je voudrais vous poser cette question. Euh, d'où tient le PNUD les données qu'il utilise pour, pour, faire, pour faire euh, donc, ces calculs Est-ce que c'est à votre niveau, c'est au niveau de l'Institut national des statistiques, ou euh, le PNUD fait lui-même des enquêtes Comment ça se fait Donc, le PNUD utilise ces données qui ne sont nullement celles de l'INS. Pourquoi Donc, ça, et celles le savent, puisque la Commission des statistiques des Nations Unies a toujours déploré ce qui se passe. Ils ont toujours recommandé, suggéré aux différentes euh, organisations des Nations Unies dans les différents pays de produire, si vous voulez, leurs documents à partir des données qui seront fournies par les instituts de SACIC. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas ni au Niger ni ailleurs. Donc, ils utilisent euh, des données, si vous voulez, ici, des bureaux régionaux du développement humain. Si j'ai bonne mémoire, peut-être celui de l'Afrique de l'Ouest doit j'ai à Dakar, si j'ai bonne mémoire. C'est à partir de ces données qu'ils élaborent l'IDH, dont nous-mêmes, nous, entre griffes, nous contestons en, quelque sorte, si vous voulez, les résultats. Nous allons revenir à vous, le temps de donner la parole à Abdelaziz Wankoy qui est coordinateur de l'ONG Cellule de moralisation de la vie publique, CMVP, la visée. Et nous allons vous demander également de nous décliner un peu euh, votre organisation, sa mission, qu'est-ce que c'est la CMVP, la BISE et sa mission, rapidement euh, Merci. Alors, euh, la cellule de moralisation de la vie publique est une organisation non gouvernementale, une ONG dénommée la BISE, qui vise essentiellement deux objectifs, c'est-à-dire la bonne gouvernance et la citoyenneté. La bonne gouvernance, à travers son aspect économique, et son euh, aspect euh, social et politique, euh, si je peux l'appeler ainsi. La, citoyenneté, c'est en fait le droit et devoir du citoyen. Donc la citoyenneté également, dans son caractère ou son aspect transversal, ça veut dire le respect des lois et des règlements de la nation par les autorités et par le citoyen lambda. Voilà ce que vise euh, l'ONG Labizé. Alors, euh, vous, quelle définition et quelle, compréhension vous avez de l'indice de développement humain euh, merci, je vais, je vais essayer d'être moins technique que mon frère de l'INS. En fait, comme il l'a dit, hein, c'est presque la même chose. L'IDH, c'est vraiment une moyenne comprise entre 0 et 1 et qui considère trois euh, caractères. Ça veut dire l'espérance de vie, euh, la durée moyenne de la scolarité, la durée de la scolarité attendue et le revenu par habitant, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, pour que les gens comprennent mieux. Le pouvoir d'achat, c'est-à-dire quelle est la capacité d'un Nigérien, et le, revenu que, de faire face en fait à, ses besoins euh, quotidiens. Alors voilà l'IDH en quelque sorte c'est vraiment euh, ce, ce, euh, on appelle cette moyenne là qui plus tend vers un prouve qu'il y a le bon vivre dans le pays. C'est-à-dire que les, citoyens sont en bonne santé, et ils vont bien à l'école et euh, ils ont revenu, ils ont un revenu conséquent. Donc, par rapport, si je peux dire, à notre pays, l'IDH euh, ou bien le PNUD ne tient pas compte des institutions et euh, des instituts des statistiques de nos pays. Nous allons revenir par rapport au, justement aux limites et, aux atouts de, de l'IDH. Mais là, je voudrais savoir, euh, selon vous, lequel de ces, on avait cité les trois indicateurs qui entrent dans le calcul de l'IDH, et lequel d'entre eux, selon vous, est fondamental l'espérance de vie à la naissance, l'éducation ou le, pouvoir pouvoir, lesquels est fondamental C'est trois, facteurs qui sont interdépendants en fait. On ne peut pas dissocier l'espérance de vie à l'éducation. tout comme on ne peut pas dissocier l'éducation au pouvoir d'achat au revenu. Parce qu'aujourd'hui, l'éducation coûte cher, il faut payer. Et lorsqu'on n'a pas la santé, on ne peut pas penser à l'éducation. Et lorsqu'on n'est pas vivant, on ne peut pas penser à se soigner et aller à l'école. Donc, ces trois critères qui sont indissociables, aucun ne valent mieux que l'autre. Alors, donc, euh, allez-y. Donc, euh, quels sont les, atouts et les limites que comporte euh, cette cet IDH vous, avez tout à l'heure commencé à évoquer le fait que les, instituts nationaux de, de statistiques ne sont pas souvent associés. Les atouts, c'est quoi les atouts, c'est l'interpellation du pouvoir public, du décideur. Lorsque le PNUD décide de ne pas tenir compte euh, des, statistiques de nos pays, c'est tout simplement pour que chaque pays ne puisse pas se donner des avantages, ne puisse, pas, tricher. ou euh, euh, glorifier ces chiffres. C'est pour la simple raison qu'en 2010, le PNUD a refusé d'utiliser les statistiques de notre pays. Si on prend, comme disait euh, mon frère de la statistique, l'expérience de vie au niveau de l'INH est largement supérieure à l'espérance de vie que le PNUD a placée. Là n'est pas le problème. Le problème est que l'IDH, c'est comme euh, une alerte. Nous devons voir quelle opportunité tirer de notre placement, de notre euh, place dans le classement des pays. Parce qu'au au lieu tout juste de voir l'aspect que nous sommes dernier ou avant-dernier, récemment on est avant-dernier, il faut voir qu'est-ce qui ne va pas dans notre pays pour que nous puissions le corriger. Là doit être la question et là doit être les orientations de nos décideurs et des leaders politiques. Mm, merci et nous nous trouvons vers Samaïla Mamadou du euh, le réseau des organisations et associations euh, du secteur de la santé, également point focal de l'Alliance internationale pour les objectifs du développement durable. Alors, rapidement, le roi c'est quoi sa mission Oui, le roi c'est le regroupement des ONG associations du secteur de la santé du Niger. Donc, c'est un regroupement qui a pour vocation euh, d'assurer la coordination la circulation de l'information et le renforcement des capacités donc au niveau des organisations de la société civile qui œuvrent dans le secteur de la santé. Ah. Donc le ROASEN euh, sert en quelque sorte euh, de liaison entre les structures qui interviennent dans le secteur et le ministère de la Santé. Alors donc nous parlons de l'IDH, nous avons euh, vu euh, la définition que les uns et les autres donnent de, cet indice. Et on a vu qu'il y a trois indicateurs clés qui rentrent euh, dans le calcul de cet IDH, dont notamment l'espérance de vie à la naissance et dans lequel concourent les questions sanitaires, euh, justement. Comment vous, à votre niveau, vous concevez cet aspect vie du Niger Bon, vie du Niger, je pense que comme ils l'ont dit, par rapport à l'aspect santé, donc longévité, qui est un des indicateurs donc, euh, où nous avons l'accès à l'eau potable, l'alimentation saine, nous avons l'hygiène et les soins de vie. Et récemment, euh, il y a l'aspect VIH-Sida qui a été introduit dans la prise en compte de, cet indicateur. Et nous pensons que c'est un secteur où, quand il est pris en compte, ou le mot qu'il est pris en compte dans le calcul de l'IDH, montre vraiment eh, l'état dans lequel eh, les structures sanitaires ou bien le secteur de la santé se, se retrouvent. Parce que le secteur de la santé, en tout cas ce point à lui seul, est suffisamment lourd pour pouvoir plomber donc le calcul de l'IDH au niveau du pays. Et spécifiquement au Niger aujourd'hui, avec tous les problèmes que nous avons dans le secteur de la santé, eh, les structures sanitaires aujourd'hui qui, ont d'énormes problèmes, d'énormes difficultés. Et donc, euh, ça nous amène à dire que, comme Abdelaziz a eu à le dire, que c'est vraiment la sonnette d'alarme. Elle permet de rappeler au pays que dans le cadre des activités qu'ils sont en train de mener et pour le bien-être des citoyens, voilà le niveau où se trouve ce bien-être. Alors, alors, à votre avis, est-ce que cet IDH, donc, euh, entre autres, ça, je pense bien que c'est l'un des atouts de l'IDH, donc, euh, c'est cet aspect d'alerte aux autorités en charge du, bon déroulement des, activités de l'État. Quel autre atout ou quelle limite pour cet indice de développement humain Bon, moi, le, je parlerai plutôt de, de limite, parce qu'aujourd'hui, si dans le cadre du calcul de l'IDH, on n'utilise pas les données du pays, il y a des problèmes. Nous avons vu euh, au niveau du calcul de l'IDH, on utilise des données euh, d'une certaine commission ou des institutions comme la Banque mondiale et qui interviennent dans le pays. Vous pensez que cela ne reflète pas totalement la réalité euh, Ne pas refléter la réalité, je ne m'avancerai pas dans ce, sur ce point. Mais ce que je, je voudrais dire, c'est que on gagnerait à renforcer, à crédibiliser les données du pays pour qu'elles puissent être utilisées. C'est vrai que nos dirigeants peuvent utiliser et ces données, comme on l'a vu, des chiffres qui sont parachutés pour dire, euh, dans le cadre de certaines réalisations, qu'on a eu vraiment à faire des améliorations, alors qu'en réalité, sur le terrain, ce n'est pas le cas. Mais je pense que des institutions qui utilisent euh, un indice pour calculer euh, le niveau de, vie, de développement humain doivent se baser sur les données du pays. Donc, elles doivent aussi créer les conditions pour que ces données soient fiables. D'accord. Et je vous propose qu'on avance sur la deuxième partie de ce forum qui porte sur la place du Niger dans l'IDH et les interprétations qui cela donne. Euh, ce n'est un secret pour personne. Le Niger est régulièrement classé dernier ou avant-dernier depuis plusieurs années. Une situation qui a toujours indigné les citoyens nigériens qui ne comprennent pas que le pays puisse être classé dernier, souvent derrière des pays en guerre. Dans son dernier classement sur l'IDH en date du 21 mars 2017, le PNUD classe le Niger 187e sur 188 pays, soit l'avant-dernier. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer le rang peu enviable du Niger en termes d'IDH, nous avons posé la question à Seydou Souley, qui est journaliste économiste et animateur de l'émission Business Challenge. Voici sa réponse. Le Niger n'arrive pas à faire des progrès dans ces domaines pour euh, plusieurs raisons. En fait, il y a une complexité de facteurs qui expliquent ça. Le premier, qui me semble être un facteur euh, essentiel, c'est que globalement, quand vous regardez le Niger jusqu'aujourd'hui, l'État n'arrive pas à être bien géré. Et vous vous souvenez, le président de la République, Issouf Mahamadou, dans son discours d'investiture, où il disait le Niger n'est pas un pays pauvre, mais un pays mal géré. Il l'a reconnu lui-même. Et ça, ça persiste. Puisque ça persiste, l'impact se ressent dans tous les secteurs socio-économiques, dans l'éducation, parce que l'IDH vérifie certains progrès que les États réalisent par exemple dans le domaine de la qualité de la vie, par exemple l'alimentation, l'accès à l'alimentation, l'accès à un travail décent, l'accès à un logement décent, l'accès aux soins de santé de manière décente, l'accès à l'éducation en termes de quantité et de qualité. Bon, lorsque vous regardez le Niger aujourd'hui encore, ces éléments ne sont pas qualitativement garantis. Quelquefois, on injecte énormément de moyens dans ces différents secteurs, mais parce qu'il y a des mauvaises prises de décision, il y a des mauvaises exécutions de décisions, il n'y a pas une gouvernance rigoureuse, on n'arrive pas à avoir de bons résultats. Et cela est souvent paradoxal parce que quand vous regardez, quelquefois, je pense que ça se justifie, on injecte plus de moyens aujourd'hui, par exemple, dans le secteur de l'éducation qu'il y a peut-être quelques années, mais pour peu de résultats. Vous voyez Donc, c'est tout ça qui explique que le Niger reste en retard. Un autre facteur qui peut expliquer pourquoi le Niger reste en retard, c'est que nous sommes quand même un pays qui, de plus en plus, est en train d'institutionnaliser sa dépendance à l'aide internationale. Or, lorsque vous êtes le pays qui demande toujours à être aidé dans tous les domaines, de la vie socio-économique, si vous regardez, le Niger, même dans le fonctionnement des institutions, on est arrivé à un point où on pense qu'on ne peut rien faire sans aide. Donc c'est normal, puisque vous dépendez des autres, que vous n'êtes pas un pays capable par lui-même de créer un certain nombre de conditions en matière de développement humain. Vous venez de suivre donc Seydou Souley, qui est journaliste économiste et animateur de l'émission Business Challenge. Alors, Kabir Boubacar Issa vous l'avez suivi. Euh, un commentaire peut-être sur, sur ces raisons euh, avancées par Seydou Souley Ok, je viens d'écouter M. Seydou Souley. Et en grande partie, je dis qu'il a raison sur ce qu'il a eu à dire. Mais néanmoins, j'ai quelques éclaircissements, si vous voulez, à, faire au grand public. Allez-y. Donc, euh, qu'est-ce qui peut expliquer euh, en quelque sorte cette position du Niger Certes, tel, que, euh, M. Soleil l'a dit, il y a, un problème, si vous voulez, de. Il y a un problème, si vous voulez, au niveau de la gestion de l'État, mais il faut aussi rappeler qu'en 1990, quand le PNUD a publié pour la première fois si vous voulez, l'indice de développement humain, le Niger est très nettement en retard par rapport aux autres pays. C'est comme si on vous laisse à pour aller à Difa. On dit que le Niger est à Niamey, alors que le pays qui précède le Niger est à Maradi. Le Niger va beaucoup courir, mais il faut qu'il court deux fois ou trois fois plus vite que ces pays-là qui sont devant lui avant de les atteindre. Un exemple, une information que je vais vous donner. Depuis 2010, le Niger est le troisième pays en Afrique en termes de progression de l'IDH. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Et depuis 1990, le taux de croissance annuelle moyen de l'IDH est de 1,98% au Niger. C'est l'un des plus élevés au monde. Maintenant, vous voulez dire que le Niger fait des efforts seulement euh, le classement qui est fait en rapport avec d'autres pays qui, ont, plus de bien sûr, le Niger. C'est là le désavantage. Oui, le Niger fait beaucoup d'efforts. En termes d'efforts, le Niger est l'un des meilleurs élèves au monde en termes d'IDH. Malheureusement, l'écart qu'il y a entre le Niger et les autres pays est très élevé. Je vais vous dire, en termes, si vous voulez, par exemple, en termes d'espérance de vie à la naissance, dimension santé, dès les États de l'UMOA, celle le Sénégal est devant le Niger. Aujourd'hui, l'espérance de vie des Nigériens dépasse de 10 ans, celle d'un Ivoirien. Or, tout le monde sait que la Côte d'Ivoire est la première puissance sous-régionale. Vous voulez dire quand même que le Niger a raté son décollage euh, Voilà. Le Niger a raté, son décollage dès le calcul du PNUD. Parce que les données que le PNUD avait utilisées, même en 90, n'étaient pas les données de l'INS. Donc, en réalité, même, c'est quoi le problème de l'IDH actuellement au Niger C'est quoi Le plus grand problème de l'IDH, ce qui plombe l'IDH au Niger, c'est l'éducation. On est très en retard au niveau de la dimension de l'éducation. Regardez, la durée moyenne de scolarisation au Niger, est de 1,7. Dans le monde entier, le Niger ne dépasse que le Burkina, qui a 1,4 selon le dernier RMDH. Mm. La durée. La durée attendue de scolarisation, qui est l'espérance de vie scolaire du Niger, qui est de 5,4 ans, ne dépasse que celle de l'Érythrée et du Soudan du Sud, dont l'Érythrée a 5 ans et le Soudan du Sud a 4,9 ans. Vous voyez combien on est, en retard sur le plan éducatif. Mais pourquoi mais vous, vous, indexez, vous dites que c'est le problème de l'IDH. Ça veut dire que c'est le pays qui. C'est dans les choix politiques oui, actuellement, on a constaté que c'est l'éducation en réalité, même si on tient compte des données du PNUD, c'est au côté éducation qu'on a plus de problèmes. Et actuellement, moi, ça me fait mal. Vu ce que je connais comme euh, impact de l'éducation sur l'IDH, qu'actuellement au Niger, on a une mésentente en quelque sorte entre les syndicats du secteur de l'éducation et le gouvernement. Maintenant, un autre aspect aussi, le revenu national brut par habitant. Est-ce que vous savez que le taux de dépendance des jeunes de 0 à 14 ans est le plus élevé au monde Le taux de dépendance du Niger. Et ça aussi, ça contribue, si vous voulez, à amoindrir le revenu national brut par habitant. Aujourd'hui, le, le, taux de dépendance des, des, des, des, des enfants de 0 à 14 ans est de 107,5 ans. Quand je regardais, c'est seulement au Niger que ça dépasse. Qu'est-ce que vous appelez taux de dépendance c'est les personnes âgées de 0 à 14 ans qui dépendent des personnes de la ah. population active. D'accord. Nous allons revenir à vous le temps de donner la parole à Abdelaziz Ouankoy, coordinateur de l'ONG CMVP Labizé. Alors, euh, vous confirmez l'un des problèmes soulevés par euh, notre, euh, invité Oui, oui. effectivement, comme Kabiro l'a dit, euh, il y a deux aspects sur lesquels le Niger n'est pas dernier. Nous sommes unanimes dans le tissu. Que ce c'est euh, l'espérance, la santé, l'espérance de vie et le, pouvoir d'achat. Le Niger n'est pas dernier, vous pensez, sur ces aspects n'est pas dernier, même dans le classement euh, de l'indice de développement humain du PNUD. E le Niger est devant beaucoup de pays dont j'ai la liste en termes de pouvoir d'achat. D'accord. Pour ces deux aspects, il n'y a pas de problème. Alors là où il y a le problème, et euh, dont peut-être je suis un peu à contre-courant avec euh, M. Seydou Souley, le Niger, qu'est-ce qui bloque C'est pas qu'est-ce qui peut bloquer. Qu'est-ce qui fait que nous sommes derniers C'est notre système éducatif qui va mal. Principalement, vous pensez C'est même ça, c'est pas que je pense, c'est même euh, le, le, l'IDH et même dans, les, les, documents de l'INS, le système éducatif du Niger va mal. Un, le taux d'analphabétisme au Niger est à plus de 80%. Deuxièmement, qu'est-ce qui fait ça Lorsque vous prenez euh, euh, l'école, c'est-à-dire dans l'IDH, on tient compte aussi des réussites scolaires aux examens, que ce soit BPC, BAC et dans les écoles supérieures et à l'université. Au Niger, nous sommes à 30% minimum, alors que les autres pays sont à 80, 90, jusqu'à 80% de taux de réussite, que ce soit au primaire, aux examens primaires, au collège et jusqu'à l'université dans les écoles. Et, qu'est-ce qui explique cet écart L'écart, c'est en fait, nous faisons, le Niger a opté pour euh, une éducation de masse, et non une éducation de qualité. Ce qui fait que quoi qu'on fasse, nous, resterons toujours donnés. L'autre aspect que les gens oublient, qui rentre dans l'IDH, c'est par rapport au taux de, euh, dans les universités. Vous prenez un exemple, dans, notre, au Niger, si on prend l'université par exemple de Niamey, à Majoré, ils sont à 13 000 étudiants. Alors que dans une faculté, contrairement à Côte d'Ivoire, une seule faculté de la Côte d'Ivoire a 14 000 euh, euh, étudiants. Vous voyez Mais, tout à l'heure, vous dites qu'on a opté pour une, pour une éducation de masse. Oui, mais eux, malgré Cela montre quand même que le, nombre reste insuffisant. Le taux d'analphabétisme que, vous, que vous avez évoqué tout à l'heure, vous avez parlé de 80%. Qu'est-ce que je veux vous expliquer Que chez nous, notre université tout entière a 12 000 ou 13 000 étudiants, alors qu'une faculté, une seule faculté en Côte d'Ivoire, à 13 à 14 000 étudiants. C'est-à-dire qu'ils réussissent plus que nous. Est-ce que, la Côte d'Ivoire n'a pas plus de population que le Niger Là, là est vraiment l'erreur que nous faisons parce que lorsqu'on divise proportionnellement la population du Niger à majorer à 17 millions, on, on fait le nombre d'élèves qui, sont censés aller à l'université, on voit qu'on est largement en, retard. Lorsqu'on prend dans les écoles primaires, nos calculs à l'INS et même au Niger prouvent que les enfants inscrits au primaire, à peine il y a 30% qui arrivent au CFEPD. Et même l'espérance dans l'IDH montre que nos enfants, nos enfants, nos enfants passent 1,7 mois à l'école. Un, 1,7 mois à l'école. Alors qu'ils sont censés faire 5 à 6 ans pour, être au pour avoir au, minimum le CFPD, ce qui n'est pas le cas. Et l'autre aspect fondamental qui est compté dans l'IDH que les Nigériens ne tiennent pas compte, c'est l'alphabétisation des adultes. Chez nous, le taux d'alphabétisation des adultes est tellement faible qu'il fait que notre système éducatif fait que à chaque fois la note que nous avons dans le domaine éducatif plombe le calcul de notre place dans l'IDH. Alors, Samaïla Mamadou du euh, donc euh, on a fait un peu le tour des différents secteurs. Est-ce que vous êtes d'avis aussi que euh, justement c'est principalement le secteur de l'éducation qui tire le Niger vers le bas Bon, pour entrer le secteur de l'éducation, c'est un secteur que moi à mon niveau je, ne peux pas me prononcer Mais le seul fait qu'aujourd'hui eh, nous avons tous ces remous et ce n'est pas cette année, ces dernières années, tous ces remous que nous avons, et montrent qu'il y a un certain retard que ce secteur est en train, en tout cas, d'accuser. Et, si on prend garde, même cette année, on ne le sait pas. Cette année, est-ce qu'elle sera validée ou elle sera blanchie, on ne le sait pas. Parce que euh, je pense que les syndicats ne font que revendiquer ce qui est légitime, en tout cas leur droit. Et l'État doit en principe, regardez, il y va donc de l'intérêt de la population nigérienne. Et je pense qu'il eh, vaut mieux sauver une année que, eh, en tout cas, de laisser partir tout ce qu'on a eu à injecter au cours de cette année dans le système éducatif. On peut faire des concessions. Ce qui est possible, c'est le dialogue qui peut permettre de déterminer. je pense que nos syndicats, nos syndicalistes, nos enseignants, ce sont des Nigériens et ils savent quand même jusqu'où le pays peut aller. Euh, alors, est-ce que vous pensez que, vu le retard dont on avait parlé tous euh, du Niger par rapport aux autres pays, est-ce que vous pensez que c'est possible de pouvoir rattraper Oui, moi je pense que euh, rien n'est impossible, et surtout au Niger, je dirais. Mais le seul problème que nous avons peut-être aujourd'hui, c'est par rapport à la gouvernance, c'est par rapport au leadership du premier Nigérien. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le père de la nation, c'est le père de tout le monde il doit quand même être comme ce père de famille qui, le matin, quand il se lève, s'assure que tout le monde a mangé et est en bonne santé dans sa famille. Et c'est possible aujourd'hui si les autorités sont fermes et que euh, aujourd'hui le civisme et le patriotisme est rétabli, on peut changer et dévancer les pays qui sont devant nous. Alors, nous allons continuer toujours dans, cette euh, dernière partie qui concerne donc justement les mesures envisagées par le Niger pour pouvoir gravir l'échelle afin de rattraper euh, certains pays ou même de monter au sommet. Je vais vous proposer euh, de suivre cette fois-ci également Seydou Souley, qui est l'animateur de Business Challenge pour changer tout ça, il faut quand même avoir une, des projections, des politiques et aussi des modes opératoires qui soient cohérents, qui sont portés sur le long terme. Le Niger dispose quand même de plusieurs euh, documents de, stratégie, de politique. Vous savez, ça c'est ça c'est pas le Niger seulement. Hein. Peut-être le Niger excelle dans ce domaine par rapport à beaucoup d'autres pays. On peut avoir les meilleurs documents du monde, si vous n'avez pas les hommes et les femmes, si vous n'avez pas le système politique, économique et social qu'il faut pour que ces politiques deviennent des réalités, ça ne servira à rien. Et ça, c'est reconnu partout. en Afrique, vous trouverez des meilleurs textes. Ce qui est écrit dans les textes, même dans les constitutions, vous allez voir des très belles phrases. Mais dans la vraie vie, on a souvent du mal à les matérialiser. Donc, pour changer ça, je pense que aujourd'hui, toutes les politiques que nous avons, c'est de commencer d'abord à faire un vrai travail de gestion optimale de l'État. Qu'est-ce que j'appelle gestion optimale Éviter les gaspillages, améliorer la qualité du, euh, du, facteur humain, renforcer les secteurs sociaux avec du qualitatif. Le quantitatif ne compte pas Le quantitatif, ça compte, mais regardez bien. Prenons un exemple. Regardez le débat qui se fait dans l'éducation. Aujourd'hui, on a des milliers d'enseignants, mais il y a un vrai débat sur les compétences de ces enseignants, n'est-ce pas Comment peut-on avoir une école de qualité lorsque l'enseignant peut présenter des défauts de compétences C'est la même réflexion dans la santé. Vous pouvez avoir des sages-femmes, des, infirmiers, des infirmières. Mais si elles ont été mal formées, si elles ont été mal recrutées, si elles n'ont pas de plan de carrière hein, lorsqu'elles intègrent l'administration publique, si leurs efforts ne sont pas récompensés, comment ce beau monde-là, infirmière ou infirmier, peut faire du bon travail Vous voyez, le défi est là, mais il ne peut pas être comme ça aussi lorsque ceux qui prennent les décisions à tous les niveaux n'ont pas le souci de l'efficacité à la fois de la dépense publique, l'efficacité de la gestion des investissements publics et aussi l'efficacité de la gestion des priorités. Qu'est-ce que le secteur privé peut réellement apporter de plus dans, dans, dans, dans le changement la, pour renverser la tendance de ces indicateurs de l'IDH Alors, le secteur privé peut apporter énormément parce que quand vous avez un secteur privé qui se porte bien, ce qui arrive, c'est que c'est l'État qui se portera bien parce qu'un secteur privé, qu'on le veuille ou non, lorsqu'il est bien organisé, il, il se porte bien, les entreprises s'enrichissent, ça se développe, ça fera beaucoup de, de, travail qui va être créé dans le pays. Donc la problématique du travail décent va être assez euh, résolue, n'est-ce pas Parce que les gens vont avoir des emplois, ils vont avoir des carrières, ils vont se développer. Il y aura aussi beaucoup d'entrées financières hein, pour l'État en termes de recettes fiscales, en termes d'impôts indirects, ainsi de suite. Et donc ce qui fait que l'État aura suffisamment de moyens pour pouvoir investir ou réinvestir ces moyens-là dans le développement des secteurs sociaux. En fait, c'est une chaîne, tout est lié. Ce qui se passe au Niger, c'est qu'aujourd'hui, le secteur privé, une grande partie de ce secteur privé est informel. Et puisqu'il est informel, c'est un secteur privé qui ne va pas participer convenablement à l'enrichissement de l'État. Les gens s'enrichissent individuellement, mais l'État, lui, ne peut pas s'enrichir. Pourquoi Parce que euh, le caractère informel fait qu'il y a beaucoup de revenus qui peuvent revenir à l'État. Est-ce possible de formaliser ce secteur Il est possible de le formaliser et je sais qu'il y a un travail qui se fait aujourd'hui, de plus en plus d'ailleurs, hein, euh, euh, et ça, il faut le reconnaître. Les, les entreprises, surtout maintenant, les jeunes entreprises qui se créent, arrivent de plus en plus à se formaliser déjà à leur création. Mais maintenant, il faut aller au-delà de ça. Il faut beaucoup de travail, de sensibilisation pour ramener ceux qui sont dans le secteur informel vers le secteur formel. Il faut aussi appliquer la rigueur de la loi. Parce que le problème de l'informel, c'est que ça pénalise le secteur formel. Vous venez là donc de suivre Seydou Souley, animateur de l'émission Business Challenge, qui nous livre donc euh, ses analyses par rapport aux mesures envisagées pour euh, permettre au Niger euh, de sortir des sentiers battus. Alors, Kabir Boubacar Issa, un mot, peut-être une réaction au propos de du Soleil Oui, là, bon, là, sur, ce qu'il vient de dire, je suis en grande partie, bon, je suis tout à fait d'accord avec lui. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de, défis à relever, notamment que ce soit du secteur privé que du secteur public. Mais l'essentiel qu'il faut euh, comprendre, c'est le secteur public qui crée les conditions d'une bonne marche du secteur privé. Donc, euh, à ce niveau, le grand travail revient à l'État. Le secteur privé, en quelque sorte, peut, c'est vrai qu'il peut contribuer, mais pas aussi qu'on le pense, d'autant plus qu'on est dans un pays où 80% de la population vit en milieu rural. Donc, euh, notamment, si vous voulez, c'est dans ce milieu qu'il faut plus agir. L'éducation dans le milieu rural, la santé dans le milieu rural, si vous voulez, l'agriculture à travers l'irrigation. Puisque beaucoup de gens ne le savent pas, l'agriculture contribue à plus de 70% de le PIB du Niger, alors qu'à peine l'uranium dont euh, le Nigérien s'établit la poitrine contribue à 5%. Que faire, que faire d'autre pour, pour améliorer la place du Niger Non, donc, euh, bon, le caractère informel à combattre, et là seulement, ce n'est pas l'État seulement, c'est pas seulement à l'État, si vous voulez, de procéder, c'est à tout le monde, notamment et en instaurant un climat de civisme, de patriotisme. Il faut, que, euh, faut faire en sorte que les comprenne comprennent que contribuer, si vous voulez, à l'impôt, si vous voulez, est un, acte citoyen et ça peut contribuer, si vous voulez, à améliorer la situation, si vous voulez, du pays. Abdelaziz encore une réaction, un mot par rapport à ce que vous venez d'écouter, c'est du soleil, et puis euh, quel autre solution vous pensez le Niger, sur quoi le Niger doit mettre l'accent pour, améliorer davantage son, rang Oui, euh, par rapport à euh, l'appréciation de du Soleil, en fait, euh, en ce qui concerne le long terme dont il parlait, je suis parfaitement d'accord avec lui. en bonne gouvernance, on appelle cela la vision stratégique. Alors, qu'est-ce que c'est que la vision stratégique C'est qu'il faut faire une adéquation entre les dépenses de l'État et les besoins des populations. Aujourd'hui, on est tous unanimes que c'est l'éducation qui freine l'indice de développement ou la place ou le rang de notre dans le classement de l'indice de développement de notre pays. Que faire là est vraiment la question très importante. Il faut d'abord que nous fassions une bonne politique éducative. Il faut tout de suite réformer l'école. Lorsque ça ne va pas, il faut changer. Il faut que le décideur puisse avoir le courage de renvoyer tous les enseignants qui manquent de niveau. Il faut que les décideurs puissent mettre fin à ce système de Renvoyer ou plutôt renforcer leurs capacités Non, il y a ceux qui n'ont pas de niveau, ceux qui ne connaissent rien et ceux qui ne peuvent rien enseigner, il faut les renvoyer. Il n'y a rien à faire. Ils ne peuvent pas leur renforcer des capacités, il faut les renvoyer. Parce que lorsqu'ils sont là, ça ne peut pas aller et on va toujours rester dernier ou à main dernier de la planète. L'autre aspect fondamental, c'est qu'il faut forcément, forcément que l'alphabétisation dont les gens négligent dans ce pays, qu'on alphabétise les adultes. Voyez-vous, comme disait euh, mon frère Kabir tout à l'heure, on peut euh, alphabétiser quelqu'un ne veut pas dire forcément lui apprendre le français ou l'anglais, non. Alphabétiser, c'est lui apprendre une langue où il peut l'utiliser, écrire et parler. Dans le domaine de l'agriculture, il faut alphabétiser les agriculteurs pour qu'ils apprennent à devenir des agriculteurs modernes. Dans leur langue, hein, il faut les apprendre, que ce soit en germain, un peu en tamashek, les apprendre quelle période il faut planter, quelle période il faut arroser, quelle période. Ça, ça rentre aussi dans l'alphabétisation. Mais très malheureusement, la professionnalisation dans le domaine primaire, qui est l'agriculture, nous, nous le négligeons et ce qui fait qu'on nous classe souvent très généralement dernier de la planète. Soumaïla, rapidement. Euh, oui, bon, moi j'adhère parfaitement à l'analyse de Seydou. Et ce que je me dis, c'est qu'il faut remettre les Nigériens au travail. Et là où, à un certain niveau, je dirais que <clears throat> l'administration, comme on le dit aujourd'hui au Niger, elle ne produit pas. Elle ne fait que consommer. Et je pense que le privé, aujourd'hui, c'est le privé qui amène des devises au niveau de l'État. Et, il faut aussi qu'au niveau de l'État, qu'on puisse renforcer la mobilisation des ressources internes. Aujourd'hui, nous avons d'énormes ressources dont nous ne savons pas ces ressources qui sont exploitées, où est-ce qu'elles vont. Et l'État est là à tendre la main alors que dans le pays, il y a des ressources où il y a des individus qui sont là, comme je le dirais, assis sur ces ressources qui appartiennent à tous les Nigériens. C'est là où il faut aller pour qu'on puisse permettre et de rehausser cet indice. C'est-à-dire que euh, la répartition des ressources là, elle doit être équitable. Voilà, mm. moi, ce que j'aimerais dire. D'accord, nous sommes euh, arrivés donc au terme du forum euh, de ce soir sur l'indice de développement humain. Nous retenons que l'éducation est l'un des aspects fondamentaux qui tire le plus souvent le Niger vers le bas. Il y a lieu donc de réformer les secteurs, d'être rigoureux dans la gestion de ce secteur. Nous avons également vu que la bonne gouvernance également mérite euh, d'être revue l'éducation, la santé et l'agriculture en milieu rural doit être renforcée, doit être, ah, mérite un regard euh, assez euh, rigoureux également. Et nous avons vu que l'alphabétisation des, des adultes doit être aussi une option à envisager pour permettre donc au Niger d'avancer, remettre les Nigériens au travail et la mobilisation des ressources internes pour pouvoir faire face à toutes les dépenses euh, dans, le, dans, le, secteur, dans les secteurs clés pour pouvoir booster le développement du Niger et, doit être aussi euh, des points sur lesquels il faut insister. Merci à tous euh, d'avoir été à notre compagnie. Je rappelle que nous étions avec Kabir Boubacar Issa Baba, qui est administrateur au niveau de, de la division des études sur la pauvreté et du développement durable de l'Institut national de la statistique également, nous étions avec Abdelaziz Wanko, coordinateur de la cellule de moralisation de la vie publique, CMVP Labizé, et Samaïla Mamadou Diroissan, le regroupement des organisations et associations du secteur de la santé au Niger. Il est également point focal de l'Alliance internationale pour les objectifs de développement durable. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonsoir.